waaw waaw grand combat grand combat grand combat grand combat Cheikh Niang Mbour Bombardier moo fi jàkkaarloo Thiatou Kéré grand combat grand combat tey le samedi 22 juillet 2023 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur Ousseynou Ngom à la de la structure Mousnakh Production moo organisé organizei. Uau, uau! L'enfant prodige de, de Belifort. Jeune espoir invaincu jusqu'à présent avec un palmarès qui porte le respect. 10 victoires, mais voici l'espoir de Dalifort. Tchakou le poulain de Kamsissé, le voici. Qui doit affronter un adversaire beaucoup plus expérimenté que lui en l'occurrence. C'est rien. Antoine Routier le boîtier. C'est rien. Un ancien qui a fait 20 ans de carrière dans l'arène. Le boîtier, l'expérience de Seigneur face à la jeunesse du carré. Monsieur l'arbitre ne va pas tarder à donner le coup d'envoi du combat. Mesdames et messieurs, aujourd'hui samedi 22 juillet 2023, on est à l'arène nationale la journée d'aujourd'hui, votre nationale de la structure pour la pollution, monsieur l'arbitre ne va pas tarder à donner le coup moi qui oppose. Tchadou seigneur enseignant, premier grand combat pour Tchadou Kairé. se défaire de Il devra poursuivre son attention pour le sommet de l'arène. Il devra aspirer à affronter des lutteurs beaucoup plus côté que lui. Des lutteurs qui se trouvent un niveau supérieur. Et il a envie de gravir les Ça S'accoupérer l'espoir de téléphone pour le poulet de par Face à l'expérience,

Kairé moo gën a féete ndaw Thiatou Kairé moo gën a féete ndaw ñu ngi toog ci palmarès de six combats six victoires mësul daanu moom Thiatou Kairé mësul daanu waaw waaw mi ngi bëree nag ak Cheikh Niang Cheikh Niang moo ko ëpp expérience ñaari yoon Cheikh Niang def na ñaar fukki at ci lamb ji moo ëpp expérience kii di Thiatou Kairé ñaari yoon ñu koy war war noonu du ko bëgg a nax nax Sagnan dafa bëgg a nax Thiatou Kéré parce que Thiatou Kéré mu gën a féete ndaw bëgg ma wax li mu ëpp doole waaye dafa mel ni doole ah Thiatou Kéré dafa mel ni mu ëpp doole waaw oh, waaw très serein très serein concentré Thiatou Kéré mi ngi dox ci kaw Sagnan arbitre bi arrêté na combat bi waa bi seen diggante Diegane mi ngi tourné en rotation mi ngi wër kii di Thiatou Kairé Thiatou Kairé mi ko topp rek ne tekk mi ngi ne ko jàpp di ko topp pas à pas pas à pas daan moo daan waaw waaw ki war moo daan Thiatou Kairé daan na eh Thiatou Kairé daan na daan na Kenya mu bu Bombardier jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante mi noonu l'enfant de Dalifort il poursuit il poursuit son ascension vers le sommet de la mesdames et messieurs sept combats sept victoires pour Thiatou cette victoire pour Tchadou Kairé, premier grand combat. Premier grand combat pour Tchadou Kairé. Aujourd'hui, samedi 22 juillet 2023, mesdames et messieurs, on est à l'ère nationale. La journée d'aujourd'hui, côté la fenêtre de la structure. Mousna Production, Tchadou Kairé, vainqueur de Ternian. Il en est à 7 combats, 7 victoires, le voici, l'enfant des Alifords. Il devra affronter des adversaires qui se trouvent dans le niveau supérieur. Il a des arguments à faire valoir ce garçon. Il a des arguments à faire valoir. Il est très fort physiquement, il est très fort techniquement. Le voici, auteur de 7 victoires en 7 combats. 7 combats et 7 victoires auteur. Auteur dans sans fautes. Palmarès 100 fautes jusqu'à présent, Tchadou Kairé. Le voici, l'enfant de Delivore. Vainqueur. vainqueur avec la manière de saignant mi ngi noonu combat bi jeex na combat bi jeex na Thiatou Kairé daan na daan na saignant